j'avais 605 euh, candidats avec 38 absents Les bi ñu premier tour yi avons 130 admis d'office et 190 admis oral boo ko da ngay passé 50 pour tout. Bon, le résultat par rapport à nit ñi nous avons doon Apparemment, ak résultat est bon parce que nous xaw tane Oui, oui, oui xëy nak aussi ministère yi mu def xawa a programme yi wàññi yenn ki yi xëy aussi mesures yi ñu jël amna ci solo tuuti peut-être loolu laa yaakaar moo ko xaw ici il y a deux jurys, c'était pour attendre l'autre jury qu'on a proclamé aujourd'hui. Mais nous avons une délibération depuis Dembo. Quoi. Mais nous avons proclamé les résultats à la radio AFIA. Bon, pour, le, pour des raisons du contexte euh, que vous savez on ne veut pas le rassemblement On nañu résultat yi voilà bon globalement ni demain euh, pour la série El Prime bon je pense que ni su ñëpp d'aller au second tour on tourner autour de 53 pour la série S2 su au deuxième tour on tournera autour de 62 dans tous les cas inquiétude par rapport au Covid bi euh, dafa mel ni ki résultat yi bon euh, au Sénégal bon fi ci centre bi bon dama la xam ne la su su ni ñep jall nañ ci ki dinañ am 50 pour cent nañ japp ni baxna par rapport ak yi ñu daan am at yi passé waaw mais mais 50 pour cent euh, jëm 60 pour cent lañ nek diggante yoy mën nañ japp ni baxna par rapport ak année yi passé limay wax ñu admissible moy ñu def le bon choix parce que ku nek di nga choisir ñaari dominante ak ben non dominante ah il faut bien regarder ce qu'il faut reprendre il faut pas reprendre n'importe quoi sinon euh, tu risques d'avoir des problèmes pour compenser le nombre de points manquants loolu là là leen di ils il faut qu'il aille dem seet ay aînés moo tax ma bëgg leen ko jox tey si ils ont toute la nuit ils seen ay mag ak seen ay pap ñu def choix yu parce que man du ma defal kenn choix n'est pas notre ressort Ils ont def seen ay choix librement La euh, délibération était tendue parce que je suis sax de ñaari et tout euh, mais bon Alhamdoulilah, ça a été très dur parce que le fait que les déglu ay résultats c'est quelque chose bo xamante ne ko won daal. man de j'aurais aimé que ñu yobbu ko ci école yi ñu jox ko suñu directeur ñom ñu délibérer ñu mais pas de cette manière. pour man de man de arrangé ndama ndax franchement bëriwul choono da ngay dem nga lire radio ñu déglu la bëriwul choono c'est aussi très adapté par rapport au contexte bi.

mais gisuguma benn élève buy euh, bu bu les apparemment ñoom jot proclamation il euh, y a les envois de messages et l'utilisation des radios communautaires mais nous, comme on n'avait pas pris les numéros de téléphone des candidats avant de disperser nous mënuñu envoyer message ñun suñu cas la quoi on utilise les radios communautaires pour que les messages passent euh, voilà pour le moment avons un résultat yi proclamé euh, on va donner aux admissibles leur relevé pour nous def un ay choix d'ici demain nous ngi déglu office du BAC pour nous préciser quand est-ce que le deuxième tour va commencer